un nouveau jour, un nouveau mois et aussi de nouveaux défis, chers amis auditrices et auditeurs. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. Toujours fidèle au poste, je suis Olivia Assobavi pour la présentation. Et pour la première fois, j'ai l'honneur de présenter cette émission avec Fanta Chamsou. Plaisir <laughs> partagé, Oli. Comment <laughs> tu vas très bien et toi, tu vas Super, ça va, Tranquille, Dieu merci, Fanta. Dis-moi, t'as quoi pour nous ce matin Pour nos auditrices et auditeurs, nous proposons un rendez-vous informatif et distractif allant de reportages des régions aux rubriques lotis sans oublier la culture linguistique. Et en partie invité, nous recevons le cinéaste Ousmane Ilbo avec qui nous allons aborder la question de la place du cinéma dans la résolution des problèmes nigériens en particulier et sahéliens en général. Nous vous proposons également une balade musicale composée de la crème des crèmes, des chansons du terroir. À la technique, c'est Seni Isaka et l'édition est assurée par Railo Toussoumana. Comme nous l'exige la tradition dans le lisière sur Kanangou, je vous propose le Flash Info avec Monsieur Mokhtar Amadou. Mokhtar Amadou, bonjour. Bonjour Olivier Arsogbavi, bonjour Fanta Chamsou. Bonjour Mokhtar. Un mot de l'éducation pour débuter ce flash d'information de ce mardi et demain avec le début des épreuves du brevet sportif dans la région de Dosso. Près de 19 000 candidats ont commencé ce matin les épreuves dans les différents centres dédiés, a déclaré le directeur régional de l'éducation nationale de dessous Mazou Chouaké. Selon lui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. Plusieurs euh, travailleurs euh, nigériens se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail hier à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Cette année, ils sont au total 500 travailleurs nigériens sur le plan national à recevoir cette distinction honorifique pour leur dévouement et leur ardeur au travail. Le ministre de l'Emploi, Ibra Boukari, a souhaité que cette distinction puisse être un facteur de motivation pour les récipiendaires et d'émulation pour les autres travailleurs. Il a par ailleurs appelé ceux qui ne se sont pas euh, encore nominés à plus d'ardeur au travail et à persévérer dans la voie de l'effort et du dévouement afin que leur nom figure un jour pour l'histoire dans le livre d'or des fils du Niger les plus méritants. Un mot de religion à présent. Le commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah a, dans un communiqué vendredi, indiqué qu'il procédera à la restitution aux pèlerins des surplus euh, sur le prix du Hajj 2023 payé avant l'opération de la baisse décidée par le gouvernement nigérien. Le COHO précise à cet effet que le montant à restituer est de près de 345 107 francs CFA par pèlerin. C'est tout pour euh, le flash d'information de ce mardi 2 mai 2023. Passez d'agréables moments en compagnie de mes collègues Fanta Chamsou et Olivier Axobavi pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci beaucoup Mokhtar Amadou pour ce flash très intéressant. Pour ne pas rater l'actualité nigérienne, chers amis auditeurs et auditrices, suivez-nous à travers nos radios partenaires partout où vous êtes au Niger ou sur notre site internet partout où vous êtes dans le monde. L'invité du jour est un homme du 7e art, le cinéma. Il a pendant longtemps été au cœur des initiatives cinématographiques du Niger avant d'aller vers d'autres challenges en Europe et au Canada. Il nous fait l'honneur d'être dans nos locaux ce matin pour parler du rôle qu'occupe le cinéma dans sa vie et comment le cinéma peut aider à la résolution des défis au Niger. Pour dire que nous avons l'insigne honneur de recevoir Ousmane Ilbo. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, comment ça va Je vais bien, Bonjour vous. Bonjour monsieur, et merci d'être là pour nous. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vous propose une musique. Oui Olivier, le premier choix musical c'est Badossa de Sadoubouri. yan jama'a gado sai dan gado ko gida gida ta bar shi sur le son Badosa de Sadou Bori que nous sommes en train de savourer ce matin. Sadou Abdou, qui porte le nom d'artiste Bori a commencé sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre l'orchestre Carnaval de son oncle, le feu Hassan Garba, où il connut son tout premier succès pendant sa carrière. Sadou Bori a remporté la quatrième édition du prix d'Angurumo en 1990 avec successivement les titres Badosa que nous sommes en train de kiffer actuellement et dans Almagiri. Après son départ du carnaval, Sadou Bori crée le Bori Band avec lequel il a enregistré plusieurs morceaux. La musique du Fessa Dubori était aussi très connue au Nigeria voisin. C'est d'ailleurs dans ces pays que s'est éteint l'artiste le 26 juin 2008 dans un accident de circulation dans l'état de Adamawa, précisément à Yobe. Maria Bumbura, Wayo Matayamburi. avec notre invité Ousmane Ilbo, réalisateur et aussi producteur des films. Alors nous allons commencer avec cette première question. Moi je dirais comment a commencé votre aventure dans le monde du cinéma hmm, Merci beaucoup Fanta pour cette question. <laughs> et euh, quand on était gamin à Zender, euh, école primaire, je crois à l'âge de 6 ans, 7 ans, on payait 5 francs CFA pour aller voir des films au centre culturel français. Ça, c'était autant, autant. <laughs> oui, dans les années 60, 60. 69, 70, un truc comme ça. <laughs> Donc, euh, c'était de là où, d'où est venu l'amour pour le 7e art. Parce qu'on regardait vraiment des films euh, à l'époque euh, noir et blanc qui sont faits par les. comment je veux dire, des cinéastes français de l'époque, des grands cinéastes. Mm-hmm. Alors c'est là où on a commencé vraiment à avoir l'amour du cinéma personnellement, c'est là où j'ai commencé à avoir l'amour du cinéma. Avec les vrais classiques. Avec, c'est vrai, des vrais classiques, parce que c'était vraiment des classiques qu'on nous amenait à l'époque. Ah. On ne se rendait pas compte. C'était la période où ces films sont sortis, il y a quelques années pratiquement. Et nous, on les regardait grâce à la coopération française. Mhm. Euh, quand on parle de cinéma, on entend souvent euh, de la distraction, soit euh, de l'humour ou du drame. Mais les genres comme le documentaire ici au Niger les et les enquêtes aussi ce sont des genres qui ne sont pas très connus ni exploités. Comment analysez-vous l'intérêt que portent les cinéphiles à ces genres, précisément les films documentaires Bon, vous savez, le cinéma en tant que tel, quand on dit cinéma, on, parle de distraction. Si, par exemple, tu fais un film qui soit, quel que soit le genre que, sur lequel tu le fais, si ce n'est pas un film qui touche une population bien précise, les gens n'iront pas regarder ce film. Mhm. Quand tu fais un film documentaire, quand tu fais un film euh, d'humour, quand tu fais un film de pure fiction, il y a l'objectif que tu vises, il y a le public que tu vises. Si mhm. tu vises pas, euh, si tu ne parles pas de quelque chose qui intéresse les gens, les gens n'auront jamais chercher ce que tu, défends. Donc euh, moi je crois qu'aujourd'hui si on regarde un peu l'engouement que le cinéma de, de Nollywood a envers le public qu'il soit euh, nigérien ou même d'autres pays mhm. de, l'Afrique. C'est tout simplement parce qu'ils touchent des sujets qui concernent ces gens. Et puis que ce soit euh, le cinéma en tant que tel, notamment euh, quand on parle de films, on dit que documentaire. Quand on parle de cinéma africain, il a une essence qui lui est particulière. C'est quoi cette essence Cette essence qui lui est particulière, c'est-à-dire le cinéaste africain. moi, j'ai fait des études d'une façon scientifique sur euh, les recherches sur euh, euh, l'origine du cinéma africain, du mot même cinéma africain. Pourquoi on parle du cinéma africain Quand on dit que ça, là, c'est un cinéma africain, c'est parce qu'il y a une caractéristique bien spécifique à lui. Les cinéastes africains ont une façon de filmer, de mhm. montrer les faits, qui n'est pas conforme, par exemple, à celle d'un cinéaste occidental. Pour eux, le cinéma, ce n'est pas une langue. Le cinéma, c'est un langage qui a des codes bien précis. Mhm. Le cinéaste africain ne respecte pas ces codes. Tu prends ton téléphone, tu mets, te mets à filmer des gens, ils rentrent dans les champs, ils sortent dans les champs. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, si tu veux, moi, à mon envie, de, la façon dont je suis en train d'imposer, je n'impose pas plutôt, de proposer une démarche spécifique au cinéma africain que j'appelle la filma grossi, la filma mhm. Ça veut dire le film et le griot, parce que généralement, les gens, quand ils filment, c'est comme quand ils parlent ils ne respectent pas ces codes qui font que le cinéma, c'est un, langage et non une langue. Est-ce que le fait de faire cette disruption au niveau du cinéma, par le cinéma africain, est-ce que ça joue en faveur ou bien en contre-faveur du cinéma africain ben, c'est, ça ne joue pas. Euh, c'est-à-dire que quand on amène un cinéma, un film africain fait par un cinéaste d'Afrique qui n'a pas euh, la, en fait, les connaissances euh, assez approfondies du cinéma, on dit que ce cinéma est lent, il n'y a que des chants contre chants. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui manque dans ce cinéma, c'est la, la, prise en considération c'est de ce qu'on appelle euh, les, euh, les, Ce sont vraiment des ingrédients qui font que qu'on dit qu'un film, euh, un cinéaste respecte le, langage cinématographique. Alors qu'en faisant un film, en plaçant une caméra, un acteur sort, l'autre rentre, ainsi de suite, ou bien en faisant des chants contre chants, tu ne fais pas, tu, fais un film, c'est certain, certain mais tu ne respectes pas le code déontologique du cinéma. Est-ce que ça, c'est un avantage pour le cinéaste africain ou, un, un, inconvénient C'est ce qui fait que l'ensemble, grosso modo, moi pour moi, de tous les films africains, de certains films africains, je les considère comme étant des films documentaires. Ok qu'il soit fiction, mmh. on dit que c'est fiction parce que tout simplement on tire, c'est-à-dire on, on, peut avoir le sujet qui sort de, de, la réalité, donc euh, on, on, on camoufle un peu, on fait une affaire assez ah, fiction. Mais en fait, à la base, l'idée vient d'un fait réel de la société, ainsi de suite. Donc, il y a ça, cet aspect des de choses, mais il y a l'autre aspect qui est vraiment qu'il faut, compte pour faire la différence entre cinéma africain et cinéma en tant que tel. D'accord. Voilà. On va revenir euh, là-dessus, mais on va, là, on va marquer une euh, pause, n'est-ce pas, Fanta Bien sûr, Olivier. Super. Nous allons aller euh, en musique cette fois-ci avec Ali Atibili qui nous chante Kariel Kacha. rabbana ya Allah ni na roka tabarika rabbana ya Allah ni na roka Allah kai kaɗai na roka ba wani gara ba Allah kai kaɗai ka san me zai faru gobe Allah kalka samu kuma ya a cikin mutane ya ce a bashi ki an bashi maciji ai wani ya ce a bashi ki an bashi maciji ai shi wannan kidin na soyayya ne muke yi da ka shuya kariya ai ba mai hana ka je ka gona c'est Ali Atibili et le Husky Star avec ce morceau Kariel Kacha que vous venez de savourer. Ce groupe créé en 2008 est composé d'une dizaine de membres et il s'inspire aussi du rythme traditionnel des Gambara, une musique locale de la région de Zender et aussi du monde Hausa pour aller plus loin. Après cette pause musicale, continuons le Niger sur Kalango avec la deuxième partie de cette interview avec Ousmane Ilbo qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, nous aimerions savoir aujourd'hui comment pensez-vous que le cinéma africain peut aider à résoudre les problèmes que traverse le continent Mais c'est fondamental, c'est la base parce que, eh, que si on se réfère un peu à aux, pionniers du cinéma africain, notamment Samben Ousmane, et puis bien d'autres cinéastes qui ont commencé à faire des films, euh, ou Morganda, ils disent que le cinéma, c'est quelque chose qui peut essayer de combattre l'analphabétisme. Euh, presque la plupart des, comment je vais dire, des, des situations qui mettent en retard notre société. Donc il n'y a que par l'image. À l'époque, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Euh, sur le plan, euh, comment je veux dire, euh, média, c'est par la parole que les gens réglaient les problèmes. Et depuis la, comment je vais dire, la connaissance ou bien l'apparition de, de, cinéma, des appareils comme la, radio, ainsi de suite, ont combattait certains, certains vices de la, de la société avec ces médias. Et aujourd'hui, je crois que euh, ce qu'offrent euh, les médias sociaux, Facebook, ainsi de mm. suite, le, cinéma en tant que tel, et puis même euh, si j'agrandis beaucoup plus la vidéo, c'est un moyen qui peut permettre de combattre et de toucher la société. Mais il faut maintenant savoir quel message transmettre pour essayer de combattre ces fléaux sociaux. Ce mm-hmm. n'est C'est pas n'importe quel message en donnant, c'est-à-dire il y a un, tout un tas de mélange. Aujourd'hui, n'importe qui dans sa chambre peut faire un film vidéo et diffuser sur Internet, balancer une bonne ou une mauvaise information. Il appartient aux gouvernants, aux responsables de ces médias, qui sont vraiment à la tête de ces médias, pour essayer de faire en sorte que tel problème social, il va falloir prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que eh, l'information qui doit être balancée dans ce sens-là soit une information qui peut eh, venir combattre cette situation. Donc moi je crois que c'est un élément important pour essayer vraiment de réguler les problèmes sociaux, les fléaux sociaux. Merci. Mais euh, dites-nous, sans gros moyens financiers, comment arrivez-vous à vous en sortir euh, ça c'est une très bonne question <laughs> parce que j'ai lutté avant de partir euh, à, Paris, avant de partir à Toulouse et au Canada finalement. Et je me suis battu, corps mon premier film que j'ai réalisé, Le témoin oculaire, je l'ai réalisé à fond propre. Je ne sais pas combien ça coûtait, 1 million, 2 millions à l'époque. J'ai mis mon argent, je l'ai fait. Le deuxième film, euh, La course au cadeau, a été un financement suisse avec euh, euh, la coopération française, ainsi de suite. On était six producteurs africains, que chaque producteur a produit un film. Donc, avec, je crois, à peu près un montant de 110 ou 120 millions de francs CFA. Bon, il y a eu déjà l'engouement d'aider les jeunes. Si les jeunes, les jeunes font preuve d'enthousiasme de, d'enthousiasme ou bien de professionnalisme, parce qu'à l'époque, vraiment, on tentait de sortir du, lot. Alors, euh, c'est que si aujourd'hui tu veux faire un film, euh, c'est à toi de chercher tes moyens. Et aujourd'hui, les moyens sont beaucoup plus devenus faciles avec un smartphone. Le dernier film que j'ai fait, Zander à l'un des je l'ai fait avec un téléphone. Et si aujourd'hui je dois participer avec ce film à des festivals ou bien je dois le projeter, je sais qu'il y a des gens qui vont payer pour aller regarder ce film. Donc les moyens se cherchent. Si on avait cru à ce que j'ai mis en place depuis les années 90, eh, les, rencontres du cinéma africain de Niamey. Vous parlez du festival. Du festival. Là, c'est quand même euh, pour nous une très belle transition pour nous d'aborder le sujet des festivals. Les festivals restent un moyen pour la promotion des œuvres cinématographiques, que ce soit en Afrique ou bien hors du continent. Et vous êtes conscient de cela. Il y a quelques années, vous avez lancé des initiatives de festivals qui par la suite, malheureusement, se sont arrêtés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des perspectives dans ce sens Les perspectives, la création même des, premières rencontres de cinéma africain de Néo que j'ai intitulé les RECAN, c'est juste pour essayer de faire en sorte que, euh, de, pour pallier à certaines politiques, notamment la politique du gouvernement nigérien, la politique euh, de la coopération française, euh, qui ne vont pas dans le sens d'aider à maintenir les, les, salles, de leur donner la possibilité aux cinéastes nigériens de créer leurs films et de vivre de leur métier. C'est dans cet objectif-là que j'ai créé ce festival. Et malheureusement, comme vous le dites, le festival a disparu. Et puis bon, aujourd'hui, quand tu fais un film, tu ne sais pas où tu peux le diffuser. Si tu fais un film avec euh, tes propres fonds à 2 millions, 3 millions, tu le projettes au palais de congrès, tu as une recette de 200 000, tu vas le projeter quelque part, tu vas avoir une recette de 100 000, 150 000. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu mets 2 millions pour faire un film, n'importe qui aujourd'hui est censé vraiment euh, que ça rapporte 10, 20, 30 fois le prix. Et s'il n'y a pas de salles, s'il n'y a pas des endroits où vous pouvez aller diffuser ces films, c'est difficile de rentabiliser. Vous avez abandonné ce combat mais je ne peux pas l'abandonner parce que tout simplement, moi, je ne suis pas venu au cinéma parce que euh, je, veux, euh, je veux faire des films. Je suis venu parce que je sens. En fait, j'aime le métier, quoi, c'est tout. Et je n'ai pas abandonné. J'ai un très grand projet qui, qui est en voie de se réaliser. Alors, si j'avais abandonné, j'avais croisé le pouce à l'extérieur du pays, je n'allais pas continuer à monter mes projets. Mhm. Donc, euh, c'est pour dire que si on se, vous avez posé la question des moyens, vous avez posé la question des festival, si on veut faire et qu'on a envie de faire, même si on n'a pas les moyens, on va chercher les moyens, on fait en sorte que qu'on nous écoute, qu'on la preuve en est qu'il y a des jeunes cinéastes aujourd'hui, notamment. Et heureusement pour eux. Voilà, qui arrivent à sortir du lot. Alors, la dernière question pour vous dire au revoir, c'est que votre premier pas dans le cinéma, c'était justement avec votre film Témoin oculaire. Est-ce que vous étiez senti pleinement cinéaste ou bien il y avait un peu ce petit truc de débutant depuis, moi, depuis que j'ai commencé, je, me sentais cinéaste. Ah. Ok, c'est La différence entre moi et les autres, je cherche à la combler et je l'ai comblée. Parce que si j'étais vraiment quelqu'un qui dit, ben, je me satisfais de ce que je suis, sans pour autant savoir c'est quoi le cinéma. Je n'allais pas vous parler de la différence entre le cinéma africain et le cinéma occidental. C'est parce que j'ai fait des recherches et je suis parti dans des grandes universités pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en, tout cas, en tout cas, avec vous, on sent l'amour et la passion du métier. Et quand on est passionné, on n'a pas envie de se séparer. mais malheureusement, vous savez, on va se séparer de <laughs> vous dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour une version plus longue, euh, qui Merci beaucoup. En tout cas, avec plaisir. Je, je trouve que vous êtes euh, passionné de votre métier. Merci. Et vous avez euh, plein de potentiel. Vraiment, allez plus loin. Ne restez pas comme euh, vos aînés, comme ce que nous avons fait quand nous avons votre âge. Alors, il faut vraiment essayer d'explorer, de vous laisser aller en fonction de vos, de vos ambitions. Un conseil que... que nous allons exploiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, Olivier, nous poursuivons avec la rubrique hebdomadaire et qui dit mardi, dit santé. Et eh bien évidemment, Fanta, il fait chaud ces derniers temps. Tu l'as remarqué ou pas Bien sûr, Olivier, et c'est tout à fait normal. Nous sommes dans la saison chaude et cela provoque une déshydratation chez beaucoup de personnes. Mais sachez, chers auditeurs, que la déshydratation n'est pas une maladie, c'est juste un état de déséquilibre en nous. Le docteur recommande de consommer beaucoup d'eau en cette période de chaleur et aussi d'éviter de sortir quand le soleil est au zénith. Pour plus d'informations sur le sujet, nous vous proposons de suivre le médecin-chef Abou Abdourahman du district sanitaire Niamey 3. Écoutons-le, il est au micro de Habiba Ahmed. La désertation c'est une perte excessive euh, du liquide corporel. Ça peut être de l'eau, ça peut être euh, du sang, ça peut être un autre liquide euh, du corps. Mais le plus souvent, la déshydratation, on l'appelle par ses manifestations. C'est-à-dire lorsque la personne ou l'organisme montre un état donc de perte de ces liquides corporels, tels que le sang ou bien donc l'eau en tant que telle quelles sont les personnes les plus exposées Toute personne peut être exposée donc à la déshydratation pourvu que les conditions s'y prêtent. Il y a par exemple une déshydratation qui peut survenir à la suite d'une soif intense ou bien d'un manque d'eau lorsque la personne ne boit pas assez d'eau et qu'il y ait eh, une chaleur excessive la personne peut perdre de l'eau soit par les urines, soit par la respiration, soit par la sudation. Et lorsque cette eau n'est pas compensée, elle n'est pas équilibrée, l'organisme peut souffrir de la déshydratation. Il y a aussi, eh, par exemple, au cours de certaines hémorragies, des hémorragies massives, lorsque la personne perd du sang, donc il peut tomber aussi en désertation. Pourquoi Parce que le sang est composé à plus de 90% de l'eau. Donc lorsque il y a une perte excessive donc de sang, c'est de l'eau qui est en train de sortir et l'organisme peut aussi souffrir de la déshydratation. Il y a aussi certaines formes de déshydratation qui sont liées à des apports extra-organiques, donc certains composants ou minéraux qui peuvent entraîner une fuite d'eau des cellules vers euh, le les milieux extérieurs. Par exemple, quand vous prenez certaines personnes qui euh, euh, consomment excessivement du sel, le sel rentrant dans le cadre donc, de la composition donc, du placement va appeler l'eau qui est au niveau des cellules pour sortir dans les compartiments vasculaires, c'est-à-dire que dans les vaisseaux. La personne semble être bien hydratée, mais en réalité, c'est qu'au niveau de ces cellules, elle est sèche. Donc, c'est là il faut voir cet aspect de désertation qui est en deux formes. La désertation extracellulaire et la désertation qui est intracellulaire. Et la plupart du temps, les personnes les plus vulnérables à cette euh, conséquence-là, les enfants et certaines personnes qui sont des personnes âgées, lorsqu'elles sont exposées à une situation qui peut entraîner la perte de l'eau, peuvent être soumises à déshydratation. Comment reconnaître une personne déshydratée, docteur Les premiers signes, ce sont les muqueuses qui sont sèches. Les muqueuses, c'est-à-dire que l'intérieur de la bouche, euh, l'intérieur des narines, les yeux qui n'ont plus de larmes, Deuxième aspect qu'on peut aussi retrouver, c'est la peau qui devient sèche. Quand vous prenez la peau, elle est souple. Mais lorsque vous touchez à une peau d'un désert, elle est sèche, on dirait une feuille qui est sèche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau au niveau de la peau. Troisième aspect aussi qu'il faut regarder, c'est au niveau des yeux. Vous allez trouver que les yeux commencent à s'enfoncer dans leur orbite. Donc ça a aussi des signes de la désertation. Maintenant, lorsqu'à un stade poussé, cette désertation peut agir au niveau de tous les organes du corps humain au niveau du cœur, ça peut entraîner une chute de la tension artérielle. Au niveau du cerveau, ça peut entraîner des syndromes de confusion. La personne ne sait plus là où elle est, elle est confuse, elle voit des hallucinations et euh, à l'extrême, le rein peut aussi s'arrêter de fonctionner parce qu'il va tomber en une insuffisance rénale qui est fonctionnelle. Ça aussi, c'est une autre complication de la déshydratation et à l'ultime, c'est vraiment la mort de la personne. Alors, Comment aider une personne déshydratée Le premier geste ou bien le premier réflexe qu'on devra avoir, c'est pendant les ambiances chaudes. En ce temps-là, il faut vraiment que la personne compense la perte d'eau par l'apport euh, extérieur du liquide. C'est-à-dire qu'il faut boire beaucoup d'eau pendant les périodes de haute température afin de protéger l'organisme contre la déshydratation. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui est déshydraté, c'est de lui apporter une solution qui est plus ou moins saline. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, euh, nous appelons ça chez les enfants le sel de réhydratation orale, où il y a un mélange de sucre et de sel, plus de l'eau, qu'on apporte à l'enfant afin de compenser les pertes en eau subies, surtout si l'enfant. Et même l'adulte euh, en a besoin aussi. La deuxième chose aussi, euh, c'est de créer autour de cette personne une ambiance qui est moins chaude, afin donc de limiter la perte en eau. Il y a aussi l'arrêt ou bien donc la correction des troubles qui peuvent entraîner la déshydratation, c'est-à-dire que s'il y a un vomissement, faut corriger le vomissement. S'il y a une diarrhée, il faut aussi arrêter la diarrhée pour éviter à ce qu'il cette déshydratation-là. Merci Habiba pour ces conseils santé recueillis auprès du médecin-chef Abou Abdraman. Nous allons en présent encore une fois écouter de la bonne musique nigérienne et cette fois-ci je vous propose Tazedar de l'artiste Safiat. auditeurs, c'était Tazedar de l'artiste Safiat, une chanson émouvante interprétée en Zarma et en, en Tamashek, une chanson qui parle du mariage forcé et de la situation de jeunes filles dans nos sociétés. Safiat est l'une des artistes les plus connues et les plus consommées au Niger. Elle chante dans plusieurs langues, dont le Hausa, Zarma, français, anglais, Tamashek, comme vous venez de l'écouter, dans ce morceau qui vient de passer très très très talentueux. Safiat a d'ailleurs participé il y a plus de cela quelques semaines en compagnie de l'artiste Kitari et bien d'autres à la fameuse émission des Voice. Une participation un peu controversée par certains qui trouvent son talent au-dessus du niveau de cette compétition. Eh bien, c'est sur cette note musicale que nous partons dans la région de Zender où notre correspondant Mustapha Bamansani nous propose un sujet sur la santé et la sécurité au travail. La sécurité et santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière, quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés. En fait, c'est le thème de la 27e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels célébrée dans 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre chaque mois d'avril. Plusieurs défis persistent en matière de sécurité et santé au travail, notamment celui des accidents de trajet. Suivez ce reportage de Mustafa Mamansani à cette occasion à Zender. À l'instar de 15 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, le Niger a organisé dimanche la 27e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Plusieurs acteurs publics et privés partagent ainsi les expériences et harmonisent les actions pour prévenir les risques d'accidents de travail liés surtout au trajet. Aliou Dadi de la Caisse nationale de sécurité sociale explique. L'accident de travail, c'est l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à un travailleur, en tout cas soumis à la réglementation en vigueur, notamment le Code du travail. En grande majorité, les accidents de travail qui surviennent, c'est beaucoup plus les accidents de trajet que les accidents survenus sur le lieu du travail. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes euh, dans l'ère de la création d'un milieu de travail décent. Donc, les employeurs peuvent maîtriser le milieu du travail ils peuvent maîtriser tous les risques qui entourent le milieu du travail et éviter la survenue des accidents sur le lieu du travail. Selon un des participants, Salim Mohamed cette prévalence des accidents de trajet est imputable à plusieurs facteurs. C'est la route qui provoque plus d'accidents ou bien c'est sont l'état du véhicule qui provoque l'accident, mais en tout cas les thèmes qui sont développés euh, nous ont prouvé que le comportement des chauffeurs amener pour quelque chose. Il y a l'imprudence des chauffeurs, l'intolérance. L'état d'ivresse, en réalité, un chauffeur ne doit pas travailler plus de 12 heures par jour. C'est pas possible. C'est ce qui provoque l'état de fatigue et qui amène ces chauffeurs-là à prendre certains excitants pour pouvoir continuer leur travail. Ces journées africaines de la prévention célébrées chaque année ont pour objectif ultime de cultiver un milieu de travail sain et sauf avec moins de risques d'accidents ou de maladies professionnelles. Alors nous partons à Zender où nous retrouvons Mustapha Mamansani qui est au bout du fil. Mustapha, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous Bien et toi tu vas, tu vas bien Oui, ça va, merci. Bonjour Oui. La question que nous voudrons vous poser est la suivante. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de la région de Zender, qui peut euh, inspirer les autres régions du Niger non, en réalité, ce sont des travailleurs venus de toutes les régions du Niger qui se sont réunis pour euh, discuter des conditions de travail, des conditions de travail décentes euh, euh, pour les travailleurs. Donc, ce sont différents des, secteurs publics et privés venus de tous les coins du Niger qui donc se sont vus à Zender. Et donc, ils ont non discuté chacun a amené sa stratégie, tout ça là, pour que pour des échanges, pour que ça euh, ça passe école, quoi. Alors, est-ce que les travailleurs sont conscients des risques qu'ils courent sur leur lieu de travail pour plus de, prudence, Effectivement, donc euh, la rencontre a permis aux uns et aux autres de prendre conscience des risques qui, entourent le travail, notamment le risque de trajet. C'est même euh, l'objectif de mon reportage, parce que les gens s'attellent à, promouvoir des conditions de vie décentes sur le lieu du travail, mais il faut aussi noter que le trajet aussi fait partie du, des risques de travail. Et donc, euh, les gens ne prêtent pas attention au trajet. Il y a beaucoup d'accidents sur le trajet. Et donc, ces accidents causent malheureusement beaucoup de préjudice aux travailleurs. Merci beaucoup. On te souhaite bonne journée depuis la région de la, du Damagaram. ça. Merci à vous. Bye bye. à présent avec notre chroniqueur sportif Soumana Amalou qui est déjà au plateau. Soumana, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Fanta aussi. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Soumana, la Super Ligue de football du Niger édition 2022-2023 se poursuit. Effectivement, nous avons même des résultats du, de la 16e journée qui s'est déroulée du 28 au 30 avril 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le 28 avril, l'Irana a battu le Jangorzo FC deux buts à 0 et Liberté s'est imposée sur Tawa un but à 0. Akokana et Espoir FC se sont séparés par un match nul, un but partout. Le samedi 29 avril, il y a eu un match nul et vierge entre Sahel Sporting Club et Douane de Niamey, 0 but partout également. Et match nul également, donc oh, deux buts chacun entre l'AS Police et l'AS Femmes. Le dimanche 30 avril, l'USGN, l'équipe de la gendarmerie nationale, a battu l'Olympique FC 2 buts à 0 et victoire de l'ASGNN, l'équipe de la garde nationale, face à l'AS Nigelec 1 à 0. Et euh, Soumana, passons euh, à une autre discipline, la boxe. Le jeune boxeur nigérien Sajad Mohamed est engagé au championnat mondial de boxe 2023 pour défendre ses ceintures et aussi les couleurs du Niger. Oui, Sajjad participe euh, au championnat mondial de boxe en Ouzbékistan du 1er au 12 mai 2023. Sajad va sur le round dès 23 mai 2023 contre le boxeur du Kyrgyzstan. Cette fois-ci, notre représentant va combattre dans la catégorie de 71 kg selon son entraîneur qui n'a pas pu effectuer le déplacement par manque de moyens. Le jeune boxeur nigérien s'est confié à un entraîneur du Sierra Leone pour son encadrement à cette édition. Et c'est tout pour aujourd'hui. <laughs> merci, beaucoup, Soumana. Ben, on souhaite euh, bonne chance à notre euh, représentant, notre ambassadeur. <laughs> Uh-huh. Bonne chance à Sadia Après le sport, chers amis auditrices et auditeurs, nous vous proposons le portrait de Souradi Idé Oumarou. Oui, Olivier, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Souraji Ide Oumarou, natif du village Momu Intinu Kwara, département de Loga à le jeune Souradi, résident ici à Niamey, où il pratique le cirage des chaussures. Sa particularité avec les autres cireurs, il circule à moto. Genre, le genre de, de 2.0, innovant et tout quoi. Omar Haman nous dresse son portrait. C'est 2010. noismiti siraz ifo no na feyankande siraz feidin to wallahi din no me wa hannu ne nagate fi sibillahi kuma isi ba ginai ya mu dai a sere no bore ga bai haraka kwa bore ga bai goro kuma fi sibillahi dai na kai ka tamu nyurk sirazin sai mata ba kan bakan dai mu ta dai dirko ba ba su mun dai nige gai ai sintinan kaso da yi to danga jiro wakin da za da ne. na no ne du zuba goyowara to na fike du zuba goyowara a bago mu zama bila sabu sintinai dai n'o a ai gwarsi sinai to zuba rano yi kala ite shabai sintinai ara kaleete chabesinchina kechaara lochun kulu waifamia obokowe o apre din banda idi kan bore ba idai aigo bore ba aigo idi kan aigo gabanse muno kiyane famio samboy kanda nyam dugore ifo se aidi bore wo kegani goga sire ni wo hoppar bonno ni goga sire ifo kati wodin mana akan ci wodin mana tam wodin dai ayin boce gane sirado kalato na kan aidi yi kiliyan mai ibagumo aidi kan ke ga sin kani kulgana mulo ki yi moto dai moto bonu a yi buga sira kwamai wa iska ka dikawa ai gunda na kan a yi kai fada fada kan zai ka a yi gare hinno a ai muguro yi mtse da ce sai dine bana kuma wa da ce sai suka kano dai ban a yi samu na gine mu koi ka dai dai ban dai gokwai dai wala ai ne gine sambu ine se no I'm ayim ke kita I'm ke kita sende fono ni go duni go yawara to wallahi tambodin fisibila hal bore ge be ko wodi sande godi mais son fisibila alhamdulillah ay gir ko sawu tambodin de goy fisibila ke mtanuru mais son kay kam bore ne bay indi bore famne kere boron gona gin ke ba se une semaine deux semaines ay go goy aw ske ta ka dai bora ding de aw ngi binga amne se nge yin mane no no ay eh, ke ta to che ye fono ne te furta je se furta je ke an kai te se bo kul kan dai gonga kam gote waram ko ke kin kam gode am bori bismillah zama ay mbo eh kam go kai gote ay ndi abori se no kale to nan go kina dai mun da am don ero kina ay mun to nan go kina Merci Omar pour ces portraits que tu nous proposes. Chers auditeurs, une dernière balade en musique. Cette fois-ci, nous allons écouter le titre Aïe de Kitari. Ah, ah, ah. Oh, Negritude Record. Ayau kiaminche nirekeza muyo rayuwa amana mukai kuma muntabatara daita yau auramu Muadu adu zuciya yau aurenmu zuciya ta da farin ciki yau aye aye aye yau mu raiwa aye aye aye yau mu raiwa rayuwa aye Oh ma chérie, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Souviens-toi de ce moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I not give, not give, not give my heart, off I not give, not give, not give my heart, off. On est mariés, ciao jaloux. Notre nid d'amour n'est plus qu'à nous. rayuwa chers auditeurs, c'était Aye, un très beau titre de l'artiste Kitari, de son vrai nom Mohamed Kitari Haruna Koulibaly. Il est auteur, compositeur et aussi interprète. Kitari est révélé au grand public nigérien en 2019 lors de l'émission panafricaine Tapis Rouge enregistrée à Niamey. Ce titre Aye qui parle de mariage est son premier opus au succès phénoménal. Le morceau a été classé meilleur clip du mois de septembre 2019 dans le hit musical sur la chaîne panafricaine Africa Télévision, puis il remporta le trophée du meilleur clip de l'année 2019 au WAMA Award International. Il fait aussi partie des artistes nigériens qui ont participé à la compétition de Voice tout récemment. présent, chers auditeurs, c'est le loti des femmes du studio Kalangu que nous allons écouter. Ah ben oui, le loti de ce mardi demain traite d'hygiène et assainissement, l'insalubrité dans certains, dans certains quartiers de Niamey et d'autres grandes villes nigériennes est une situation qui persiste malgré les actions et les dispositions prises par les mairies. Pourtant, un cadre de vie amélioré peut contribuer significativement à la santé des habitants. Je me joins à Samira, Rouafi et Farida pour le loti. Hey! La haula. Nafi, yo haka unguwar taku take. Hmm, aikin gadai cikin abun da muke rayuwa yanzu shekaru shida kenan. Ikon Allah. To wai kin taɓa yi wa makotan naki magana, ai ko ɗan wayar musu da kai sai ki nafi. Ke ni gaba ni da wayannan shige-shigen naki fa, kar ki zo ki to ki gama ni da makwabtana don Allah bari. Ke ita wannan ha, madan, madan, me haka, haba, ba ku gani za ku ɓata mu. To ita kuma asuwa hanyar kuma a kofar gidanki ne? Madan ni fa ba ce miki hanyar a kofar gidana take ba. Kuma ita hanya ta kowa ce kina nan kina ta ɓata ta ba ki gani ne. Kai kai kai ya ishe ku haka kuna nan kuna taɓaɓatu bakin hanya makwabciyata ki haƙuri amma duba ki ga ba kyau ganin wa'annan ruwan saltan da kike nan ga zubdawa ai dole yaran ku su yi ta rishin lafiya yanda wajen nan yake jawo saboro sai su yi masa sarar cizon saboro shikenan ga ku kullum a bisa kan hanyar likita makwabciya da kina so ke mini wa'annan ruwan doda su suke sa yaran mu rishin lafiya ab yau da mun baki sani ba don dai ban taɓa miki zancen bane saboda gudun rigima amma gaskiya ki yi kokari ki gyara kuma abin da makwabciyarki bata sani ba nafi shine wata ayar doka da ta hito daga ma'aikatar magajin gari tun watan Septambar na shekara ta da bakwai. wadda ke cewa a hana zub da ruwan salte a bakin hanya da titi sannan duk wanda ya taka wannan dokar za ta iya hawa kan shi. Me? Kwarai kuwa ai ba ma shi kenan ba mutane na ma iya kai karan wanda ke zub da ruwan salte a bakin titi zuwa ga hukuma kenan gaskiya ku yi hattara kuma 'yan sandan kwamin ko masu kula da tsaftar gari suna iya kama mutumin. Hmm. Su wane ne kuma wannan. Wa'annan su ne ke kula da irin wannan keskin, su ne ke yawo unguwa-unguwa suna diba bakin gidajen da ke da dauɗa da ruwan salti. Hmm. Kin shi ko? Amma dai na tsira da ban faɗa hannun wa'annan mutane ba. Makwabciya, na gode. Daga yau ba zan sake zub da ruwan doda da sauran abinci a bakin hanya. Ba komai, makwabciyata. Kin san ai mu ne ya kamata mu kula da tsaftar mu kuma hakan ba zai yiwu ba. Sai mun fara da bakin gidajenmu. Na gode makwabciyata. Allah Allah dai ya bar mu tare. Amin amin. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. Merci aux femmes du studio Kadangu pour le loti, un loti dans lequel elles nous donnent des conseils. Maintenant, c'est la minute culture linguistique avec notre chroniqueur du jour, Maman Ada. Et le mot du jour, c'est le mot oui, Michel. Oui, monsieur, monsieur Olivier, <laughs> c'est l'asthme aujourd'hui comme le mot du jour. Euh, l'asthme est une maladie qui affecte euh, vos poumons. Il s'agit d'une des maladies chroniques les plus fréquentes chez les enfants, mais les adultes peuvent en avoir également. L'asthme est à l'origine d'une respiration sifflante d'essoufflement, d'un dans la poitrine et de tout la nuit comme le matin, tout le matin. L'asthme est une maladie non transmissible de première importance qui touche les enfants et les adultes. Mais cependant, les symptômes de l'asthme sont généralement traités. Et selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2019, on estime que 262 millions de personnes souffraient d'asthme et que cette maladie a entraîné 461 000 décès. Alors, las Hausa, par exemple, qu'est-ce que ça donne? euh, ça donne ciwon tari, kuma ciwo ne wanda ke da matsala, wanda kuma idan ba a yi magani ba yakan iya sa mutane su wahala sosai. Don haka wato cuta ce wadda ake iya maganinta ta hanyar ɗaukar matakai. Kenan cuta ce wadda nake fatan Allah ya kare mutane musamman tunda tana eh, suna yara suna kamata kuma maya suna kamata. Allah ya Ada. Amis auditeurs et auditrices, c'est votre moment à présent. Vous avez laissé des messages pour nous et on les écoute. Salamu alaikum. Sunana Shafi'u Karbali. Ina sauraron Sidiyo Kalangu a ƙarƙashin tashar radio Ikirawa Bande. Shirye-shiryen da suke sawa shirin shirin yare Niger gaba ɗaya yare biyar suna sa mana. Yana burge mu sosai. Kuma shirin da ke burge ni ni dai akwai shirin matasa wannan yana burge ni. Kullum sai na saurari shirin matasa. Ina gaida Babandi, akwai Haladu Ikirawa, akwai Makke Usaini Ikirawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Abdali malamin makaranta ne kuma ma'abucin sauraren rediyo kalangu ne daga gidan rediyo ikrawa na nan bandi e eh, gaskiya babban abin da yake bani sha'awa da ita wannan rediyo kalangu ba komai ne yawanci abu biyu ne na farko akwai deba da ake wannan da shi a debal wannan babu wani san kai ko ni wani bangaranci da za a zo a yi shine wannan babban abin da ya burge ne na biyu kuma akwai abin da ya shahi wannan labaru da ake wannan labaru ana yin shi da harshe da dama wanda yau in wannan baya jin wannan wannan yana ina jin wannan don shine a takaice dai abin da ya burge ni a wannan kenan bayan haka kuma muna wasu su yan gidan rediyo kalangu da kuma musamman mutanen gidan rediyo ikirawa barka da sallah Allah ubangiji ne mai ta Allah sa kuma abin da muka yi ibadar mu amsasiya ce c'est madame Halima je suis enseignante à Durku nous suivons régulièrement les émissions du studio Kalangu sur la Madiana FM de Durku c'est notre seule source d'information nous suivons les émissions comme les informations à l'angle à 17h, les forums et surtout maintenant le Niger sur Kalangou de 11h. J'aime beaucoup ces émissions-là, comme Loti, Rose jusqu'au bout des angles, qui parle des problèmes des femmes. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana Ahmad Isaka shugaba ne na kungiyar kabu-kabu a nan garin Bande eh da sunana da sunan garin Bande duka ina mika safifiyar barka da sallah ta zuwa ga dukkanin masu sauraron gidan radio Kalangu kuma musamman eh shirye-shiryen da suke yi radio Kalangu ina jin daɗin shi musamman ma deba da kuma irin wasu labararka da suke wanda yake su labaru ne wanda suke yi sahihai kuma bayan wannan ina jin daɗin daɗin sauraron labaransu dangance da yare-yare da yawa kamar ta Nijar duka. Wajen wannan gaskiya abin yana kayatarwa kuma muna jin daɗi da kuma da deba irin da suke akan kamar fada-fada zuwa ta samari da sauransu kamar zuwa jan hankalin wannan. Gaskiya muna jin daɗin shi Allah Ubangiji ya ƙara basira kuma Allah Ubangiji ya kara inganta studio Kalangu. Amin, Amin Mouma de Sousse. Avant de se dire au revoir, chers auditeurs, nous allons recevoir Refika Attaher pour les titres du jour. Bonjour Refika. Bonjour Fanta. Alors, euh, quels sont les grands titres de l'édition du soir alors pour l'édition de ce soir, euh, parmi les grands points, nous avons la cellule Norbert Zongo pour le journalisme en Afrique de l'Ouest Nozo qui organise un atelier cette fois-ci dans la région de Dosso et en faveur des journalistes sur les questions environnementales et climatiques. Une occasion d'imprégner les journalistes sur les outils nécessaires pour enquêter sur ces questions climatiques. Ensuite, euh, la haute autorité à la consolidation de la paix organise aussi une rencontre à Niamey avec pour thème une approche environnementale de la paix. Vous aurez les détails ce soir. Enfin, la partie magazine de ce soir va porter sur la dépravation des mœurs de la région de Maradi. Merci beaucoup Rafika, on se dit à ce soir. À ce soir. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin du rendez-vous de ce midi. Merci de votre fidélité, où que vous êtes, vous nous écoutez. Merci de nous choisir chaque jour pour euh, votre compagnie journalier. Merci d'accompagner tout au long cette aventure radiophonique. Votre amour et vos retours font de cette émission une des plus belles rencontres des idées et des cultures au Niger. On vous retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À l'édition, c'est et la technique. Ana mu haɗu rayuwa. Aye, aye, aye. Yau mu haɗu rayuwa. Aye, aye, aye. Yau mu haɗu rayuwa. Aye, aye, aye. Yau mu haɗu rayuwa. et toi de ces moments où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I wanna give, na give, na give my heart, oh. I wanna give, na give, na give my heart, oh. On est mariés, ciao jaloux, notre union. you are.